Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. des loups contre le Covid-19. Ladies and gentlemen, même vie, même combat. Et quand l'engagement est noble, on le clame. Engagement pour engagement, parlons de ceux qui sont engagés, ceux qui utilisent leur art, leur œuvre, leur nom, leur image pour s'inscrire dans le combat contre la pandémie du Covid ou de la Covid-19. Nous avons reçu des grands noms sur cette émission. Tous à la FADA à travers cette rubrique consacrée aux artistes engagés pour lutter contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous accueillons une grande figure de la comédie nigérienne, voire sous-régionale. Il est humoriste mais aussi chanteur. Chers auditeurs, les and il a chanté dans le temps au sein d'une formation de la place comme vous savez déjà que nous sommes les meilleurs ils Mon alhamdulillah <laughs> la formation dans le temps Segda Boy ça voulu certainement beaucoup de choses ok d'accord alors aujourd'hui sur cette émission nous allons recevoir le l'artiste Yasmina Yasmina Yes, me now. Eh. Yes, me now. Yes, me now. Margretia never ane passe. Tia wita. Setane. Tia uh? setane. Proshentia. Yes, me now. Tu me veux. Ça veut dire quoi, c'est bébé <laughs> Ça veut dire qu'on se veut, veut, ben a pas de souci. L'émission est tout simplement hip-hop, vous l'avez constaté. Nous sommes sûrs, l'artiste s'exprime Covid-19, alors nous recevons l'artiste Djingiri Rampo. Hey, eh, oui. oui. ça va là. Tu se passes bien là Oui, ça se passe très bien. Eh tu être la forme ou c'est la forme qui te pète Je suis aux formes, pas en forme, je suis aux formes. Tu es aux formes Voilà, c'est pour <laughs> dire que la forme est derrière moi, moi je suis devant lui tu la forme. Alors, Dingir, je te souhaite la, bienvenue sur cette émission. Je te souhaite la bienvenue sur la rubrique L'artiste s'exprime Covid-19. La, pandémie donc de la Covid-19, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette maladie eh, Je dirais tout simplement coronavirus, tu as gagné. Arrivé en Afrique, vraiment, tu as tapé poteau <laughs> et tu as raté. On t'a croqué <laughs> on t'a marteau, on t'a tourné vite. Ça veut dire que tu es foutu. <laughs> Alors, on t'a déjà vu. En tout cas, j'ai vu plus de 13 sketches euh, sur le Covid-19. Alors, dis-moi, euh, Lampo, quel est le message que tu as voulu véhiculer Juste pour le prévenir qu'il n'est pas le bienvenu ici. Voilà, c'est pour dire que ici nous sommes chez nous. Voilà, il faut qu'ils se méfient de nous. Alors, voilà. Djingiri, déjà l'émission est kiffée par la jeunesse nigérienne. Exact. Un peu partout au Niger à travers nos radios partenaires. Alors je voudrais, euh, n'est-ce pas, que tu t'exprimes, que tu t'adresses à cette jeunesse. Oui. Parce que nous sommes majoritairement jeunes. Le Niger est jeune, 75% de la population est jeune. Alors, quel est le message adressé à la jeunesse aujourd'hui en ce qui concerne le coronavirus Voilà, parce que la santé, elle n'a pas de prix. Bien sûr. Voilà, si tu es mort, c'est que tu es parti. Mhm. Voilà, tu n'es pas sur notre terrain ici. Corona, c'est ici. C'est-à-dire, c'est quand tu vis, tu vis qu'il a besoin de toi. Si tu pars là-bas, tu ne sais pas. Voilà, là, on laisse ça là-bas. C'est notre mission. <laughs> Vaut mieux te préparer dès maintenant. Et ce n'est pas euh, euh, euh, ça ne concerne ni les enfants seulement, ni les jeunes, ni les vieux, ça concerne tout le monde. Donc, respectons les mesures préventives. Ok, Hanga. Ah oh. Surase, surase, surase gingiri dombo. Surase, surase, sukwaye ga corona abire shuwi. Surase, surase. Bana corona. Sura. C'était donc au Covid-19, l'artiste s'exprime, ladies and gentlemen, sur le studio Kalangu. On se prend dans un instant sous la mission Tous à la Fada. Machine, Jingiri Lampo. Talk. Hey.